plus particulièrement ici où se trouve l'aéroport international Blaise Diagne. La cérémonie, vous le savez, c'est cette cérémonie officielle marquant l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne. Dakar Actu, comme à l'accoutumée, est ici présent pour vous faire vivre en direct et en intégralité les temps forts de cet événement qui va marquer le décollage et l'atterrissage, si je peux m'exprimer ici, des avions. Tout à l'heure, à partir de 13h, le premier avion qui se nomme Air Ivoire va descendre sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Alors maintenant, on attend que le président de la République Macky Sall, parce que tous les officiels sont ici présents, le président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le, la présidente du Haut Conseil économique, social et environnemental, Amine Total, est ici présente. D'où le gouvernement dans son ensemble est ici présent. On attend que le Premier ministre, mais également le Président de la République pour démarrer les hostilités. Aujourd'hui, c'est l'aéroport Blaise Diagne, l'aéroport international Blaise Diagne, j'allais dire, qui est à l'honneur avec cet important dispositif mis en place pour assurer une très belle fête à ces gens qui sont en train de suivre à travers les différents médiums cette cérémonie marquant l'ouverture officielle de l'aéroport international Blaise Diagne. mbokk internet u Dakaractu ñu ngi leen di nuyu di dalal fii nga xamante ni moom mooy aéroport international Blaise Diagne xew-xew bi xam ngeen ko moom moo di cérémonie bi nga xamante ni moom mooy amal teelu li nga xamante ni mooy ubbi teg aéroport international Blaise Diagne Dakaractu comme ni mu koy defee at bu jot ñëw fii nii. ci li nga xamanteni mom modi di xew-xew bu mag bi ngir permettre leen ngeen vivre les temps forts yi nga xamanteni ñom ñoom di am fi comme maa ko doon wax legi officiel yëpp ñu ngi fi jëlee ko ci président de l'Assemblée nationale ki nga xamanteni mom modi di Ousmane Tanor Dieng jité au conseil des collectivités territoriales mais également Aminata Tall mi nga xamanteni mom moo li nga xam ne modi di conseil économique conseil économique environnemental ba ci ñi nga xamanteni ñom ñoom di gouvernement bi ministre yëpp ñu ngi fi invité Taïdini, tey jii le président de la république mais également le premier ministre Mohamed Boun Abdallah enfin le Sénégal ou bien Blaise Diagne à son aéroport depuis dix ans il a fallu cinq avenants pour aboutir aujourd'hui à cette ouverture officielle qui marque quand même le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Alors tout à l'heure, on a été voir cet important dispositif qui est mis en place pour assurer une sécurité parfaite aux usagers qui vont devoir passer par là pour embarquer pour maa 13 heures compagnie bu njëkk maanaam aéroport bu njëkk dina wàcc fi nga xamante ni moom moo di tarmac bu aéroport international Blaise Diagne di Air Ivoire en attendant ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, les griots traditionnels ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di association yi ñoom ñooy def animation fii ñu bàyyi leen ngeen vivre li nga xamante ni moom moo di temps fort yi nga xamante ni ñoom ñooy am fii actuellement comme ni ngeen koy gisee sama gannaaw il y a une représentation parfaite et de la presse nationale et de la presse internationale tout pour vraiment revenir sur l'envergure, mais également la grandeur de cette cérémonie qui marque quand même le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne. Dakaractu également a mis les petits pas dans les grands. Un important dispositif est également mis en place pour, vous permettre, vous, nos amis internautes, comme à l'accoutumée, de vivre en direct et en intégralité les temps forts de cette cérémonie marquant les activités de l'aéroport international Blaise pour cent Assemblée nationale ñëw na ñu ngi xaar premier ministre Aminata Mbaye Ba ñu ko jëm si ñeenti Ibrahima Kourou Mbaye maa ngi daataan bal bal bal bal maa ngi tudd damaa wax ne Papa Papa ñoom moo leen jafe-jafe ci parce que président li mu def indi ñu ko ñoom ñuy jox ñu bas. voilà nii communicateurs yi nañu leen déglu président boole nu ci moo tax nu ngi koy delloo njukkal di ko ñaanal yàlla yàlla guddal faram tamay ko wér Abdou Ndiaye maa ngi lay nuyu tubaarkalla libaas ak gaañi. sama gaañ ñi maa ngi leen di nuyu papi gaañaa ngoog ñooñu ñooy doomu président Macky Sall tey nag ah Balis Diagne kan mooy Balis kan mooy Balis Diagne Balis Diagne bi Serigne Touba yi dem Gabon Balis moo dugg ca gaal ga rootal sëñ bi xandi ñaan ak sëñ bi naan ba mandi kan mooy Balis Diagne xanaa dégg ngeen digganteem ak sëñ Babacar Sy kan mooy Balis Diagne moo turu Sénégal ci turu ci kàddoom lañ ko jëkk a déggee kan moy baris dañ kon delo mag ñukal yag na fi lolu amna yalla yalla def jàmm ci rew mi. merci beaucoup Abdoulaye mbay Aziz Mam Fama jere honorable Farba Ngom ñi ngi fi tay ci aéroport international Blaise Diagne Serigne mbay Sy Mansour xalif général de Tidiane yónnee na domam Habib si ñew na ci mbolo mi waye mbokk yi réalisation président de la République bokk na ci jigéen wax nañ ko léegi couverture maladie universelle bokk na ci PUDC bokk na ci PUMA bokk na ci ren 2018 nek année sociale année sociale nak moy at mo xamni ni képp koo xam ni daf la natou ndimbal fay aju ci yow képp ko xamni da nga am soxla président de la république na ci taxaw waaye li am solo te am solo moy modernisation ak troisième génération bi nga xam mooy aéroport Blaise Diagne troisième génération Farba mooy lépp loo xam ni fii tey ci réew mi ci Afrique de l'Ouest Sénégal mooy nekk le hub international buy accueillir avion yi kon mbokk yi dama leen di bàyyi ak sama yeneen xarit yi ku ne yëkkati kaddu ndax bis ñu ci bari xaj nañ ci ñu eggal ñu jox Mbaye Dieye Faye Mbaye Dieye Faye ah nee ñu na nga toroxal seedaandi tuuti mbàkk ju ñi ñi wax askan bi te président comme mu si yoon mi ñun ñi ñii am na ñoo xam ne ñëw nañu fi 7 di du matin ñii 8 heures ñii 9 heures nga yee leen tuuti. ah kooku nag mooy ba jëwal Ndakaaru cinq cinq maamam cinq cinq maamam moo daa bakk ndax daawur génn kon cinq cinq bu ñu ubbi fii bakku cinq cinq gàllaaj la waaye duut ka maa ngi lay nuyu doomu Casamance boobu jàppale président Macky Sall maa ngi lay nuyu bu baax na nga xam ne bakk bii. dafa am lu muy def ci aéroport bi nañu déglu bàkku cosaan la Mbaye Dieye Faye mu seng-sengi Birame Gueye jërëjëf asalaamaaleykum ku sopp président Macky Sall yëkkati sa loxo ci kaw boole koog ay yóbbu képp kuy taalibe Serigne Babacar yëkkati sa loxo ci kaw aéroport bi la seen lañu wax à Cannes, son Excellence, le président Macky Sall, le président de tous les Sénégalais, accompagné de tous les présidents et son gouvernement, l'INAC, Moussoufé Am, deuxième aéroport international du Sénégal, Bressagne, Adama Barognon, Ali Bongo Odimba, Patrice Boupissao À l'aéroport international Blaise Diagne, où la cérémonie a, été est déjà démarrée, hein. il faut le dire, depuis 9h, 10h avec l'arrivée et la mise en place des invités. À 10h, 11h, nous y sommes avec l'animation des artistes. Nous avons des artistes, rappeurs, des musiciens populaires locaux entrecoupés de parole, message et vidéo animation par DJ Boots qui est en train de l'assurer. À 11h, l'arrivée du président de la République à l'aéroport Brésilien qui est vraiment attendu par euh, l'assistance. 11h10, il y aura la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. 11h15, entrée et visite de l'aéroport, parcours du voyageur. À 11h45, c'est le départ du président de la République vers la tour de contrôle. 11h50, c'est le dévoilement de la plaque du tour de, de contrôle. À 12h précise, départ du président de la République vers les tribunes. 12h, 12h10, balai aérien, couche et géo de pointe Sahel, décollage avion Air Sénégal 1 ou 2, c'est selon. Balai de l'armée de l'air aussi, c'est de la partie. À 12h30 minutes, nous aurons l'ouverture d'un maître de cérémonie avec cette mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune de Kermousse, monsieur Momarcis. Il sera suivi du, du mot de bienvenue de monsieur le maire de la commune de Dias. Il s'agit bien de monsieur Aline Sambassis. L'allocution également du directeur général de l'AIBD, monsieur Abdoulaye Moït l'allocution du directeur général de l'ASEGNA, M. Mohamed Moussa. Il sera suivi par l'allocution du, de l'allocution bien sûr du représentant du président de la BAD, cette euh, Banque africaine de développement, M. Amadou vice-président chargé du secteur de l'énergie. Allocution également du président de la, de la BID, M. Bandar Hajar. L'allocution également du PDG Limac, M. Itar Otmeir qui est attendu avant de procéder vraiment au film historique euh, de 5 minutes qui sera suivi par l'assistant ici présent. L'allocution de son Excellence Monsieur Macky Sall, le président de la République, va clôturer cette série d'allocutions. À 13h15 minutes, on aura cette clôture de la cérémonie, départ du président de la République, 14h, démarrage des activités de l'aéroport avec des atterrissages de Air Côte d'Ivoire. Voilà, c'est en somme euh, les activités qui vont se dérouler ici pour marquer quand euh, cette cérémonie euh, internationale, il faut le dire, hein, parce que cette presse internationale est ici présente. D'autres présidents, à l'image du président de la Gambie, la Gambie voisine qui est aussi présent, mais également, il faut le dire, hein, des officiels, des ambassadeurs accrédités ici au niveau du Sénégal sont là. Et vous nous suivez en direct et en intégralité sur euh, Dakar Actu qui suit avec vous cet événement international qui marque le démarrage des activités de l'aéroport international place تيارك دارن دعنا ورا ديسا تورا تاكيد دات كيسا كيسا كيد ساكيد ورا كيد متى تتا بق جد جد دات one two three nul Seymaki, President, Seymaki, International, bu belizden

jërëjëf eh, alaaji Farba Ngom ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom subhaana wa julli yonent bi alayhi salaatu wa salaam noo ngi ñaan yàlla sunu borom def ci réew mi jàmm defal ko ni ko jëkkee monsieur Ngom aujourd'hui c'est une journée mémorable parce que aujourd'hui c'est un grand rendez-vous pour les Sénégalais Le président Macky Sall, père de la nation, gardien de la Constitution, le chef d'État né après indépendance, inaugure le deuxième aéroport aujourd'hui, le 7, le 7 décembre 2017. Farba, c'est un grand rendez-vous. di wax rek ni Farba ñu lay de la gërëm di la ñaanal ngoom wax ni président bi mu la defee député la ci boppam la teral askanu ngéwél yépp kon bu yàlla dogalee tey muy def lii nga ànd moom ñu jox nu ay bats jox nu ay teraanga jox nu ay biis indi nu teraanga ci moom lii moom la la ko ci tànn lii la defoon jëwel yoon après dem ba dajee la ko di la ko di la ko di la ko di la la ko di la ko di la ko di Abdou Seynabou Kara mu xaree ak Papa Bassine nii la doxalam ay béyam kon président Macky Sall taral na diine bi taral na maalaam waaw gis ngeen dina yi ngeen gis ñu sànni sànni ñii ngeen gis ñu wan leen ginnaaw ñoom ñooy xale yi nga xam ne ñoo nekk air Sénégal voilà présentement nous assistons à l'arrivée des chefs d'État qui sont ici. Euh, nous allons essayer d'avoir des réactions avec euh, les autorités ici euh, présentes. D'abord peut-être avoir la réaction de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Présidente, vous êtes en direct sur Dakar Actu TV. C'est un grand jour hein, euh, qui marque quand même euh, les activités de l'aéroport international de Dakar. Vous avez assisté à cette cérémonie. Quel est le sentiment qui vous anime présentement en tant qu'autorité Bien sûr, comme vous le dites, c'est un grand jour, mais un grand jour de fierté pour euh, cette réalisation, je pense, qui est une première en Afrique et qui hisse le Sénégal euh, au devant de bien des, pays en termes d'infrastructures euh, aéroportuaires. Donc nous sommes très fiers d'assister à cette inauguration aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire qu'enfin, Blesdiagne a son aéroport. Mais bien sûr, le Sénégal a son aéroport, l'Afrique a son aéroport. Nous avons un aéroport international euh, qui porte le nom de Blaise C'est un symbole et nous profitons de l'occasion également pour rendre hommage à toute la famille de Blaise au Sénégal et à l'Afrique. Merci. À l'instant, Madame Amina qui est la présidente du Conseil économique et social. Présentement, nous sommes avec le président euh, Ousmane euh, Tanordien. Président, c'est un honneur pour vous aujourd'hui, certainement, d'assister à cette cérémonie marquant le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Qu'en est-il exactement Oui, euh, un honneur, mais très certainement une très grande fierté. Avant d'arriver ici au lieu de la manifestation, je suis passé par euh, l'aéroport à proprement parler. Et j'ai été très, très fier d'être sénégalais. Parce que je sais que j'ai vu beaucoup d'aéroports, mais cet aéroport-là peut rivaliser avec n'importe quel aéroport du monde. Alors c'est réconfortant, il faut s'en féliciter, se féliciter de la vision qui a abouti à la mise à la création de cet aéroport et à l'endurance, à la persévérance, aux moyens qui ont été dégagés pour avoir euh, un tel bijou. C'est un vrai bijou vraiment. Alors, est-ce que le président a déjà réservé son billet pour embarquer ici ah, avec plaisir, je, suis, j'étais en train de dire à ma collègue là que il faudra bien qu'on, inaugure un peu l'aéroport en embarquant ici et puis euh, voilà, en voyageant au niveau de l'aéroport Bleujaï. Absolument, merci bien, Président. Alors, à l'instant, Ousmane Tanordien, qui est le président du Haut Conseil euh, des collectivités territoriales. Alors, actuellement, nous sommes avec euh, la deuxième personnalité du pays, M. Moustapha Nias, qui assiste aujourd'hui à cette cérémonie marquant l'ouverture de l'aéroport international Blaise Président, enfin, Blaise à son aéroport. Nous devons d'abord rendre grâce à Dieu, Allah le Tout-Puissant, qui fait que les sociétés avancent toujours vers le progrès en conjuguant le passé et le présent, l'effort et le développement. Aujourd'hui, Dieu a voulu que ce soit sous le régime du président Macky Sall que nous nous retrouvions ici aujourd'hui avec des chefs d'État de pays africains pour inaugurer l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Il faut remercier encore une fois Allah, remercier le peuple sénégalais, remercier le président Macky Sall et tout le gouvernement qui l'entoure, remercier la jeunesse sénégalaise qui incarne l'espoir sur l'avenir à partir du présent et à partir précisément des leçons du passé. Il faut remercier le Seigneur. Et ceci est un jalon, un maillon une étape sur une longue marche sur le long chemin qui conduit au développement de notre pays, le, ce pays qui est le Sénégal et qui assume son destin par le travail, l'effort, la solidarité, l'unité nationale et la concorde. J'ai envie de vous poser cette question que je viens de poser à ce moment Tanordien. Est-ce que le président a déjà réservé son billet pour embarquer ici Vous savez, encore une fois, cet outil de développement que l'aéroport international Blaise Diagne de Dias est le reflet des ambitions légitimes du peuple sénégalais pour aller de l'avant. Et croyez-moi, c'est une série d'inaugurations que nous allons voir passer parce que euh, ce qui marque le génie de l'homme, c'est de créer des œuvres de beauté qui soient utiles à la communauté et qui permettent à chacun de trouver le bien-être, la tranquillité, la paix le progrès. Et c'est la manière la meilleure pour suivre les voies de Dieu, pour suivre les enseignements du Saint-Coran et de la Bible et suivre les recommandations du Seigneur. Merci, merci, merci Président. À l'instant, Moussa Agnès, président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays. Nous sommes présentement en direct avec euh, Madame Mme Aminata Touré, l'envoyé spécial du président de la République qui assistait. Alors, nous allons d'abord euh, suivre l'hymne national avant de revenir sur le plateau. <laughs> Voilà à l'instant l'hymne national du Sénégal qui est euh, retentissé tout à l'heure, euh, coïncidant coïncident avec euh, l'arrivée du porte-calife des Mourites, Serine Bass Abdou Alors, vous nous suivez toujours en direct et en intégralité sur Dakar TV. Alors, on était euh, tout à l'heure sur le présidium. Peut-être que c'est Nous allons essayer ici de, de, recevoir ces, invités qui sont là et qui souhaiteraient vraiment réagir euh, sur les antennes de, de TV. Je rappelle que c'est cette cérémonie qui va se dérouler ici, marquant l'ouverture de l'aéroport international

Sénégal dans une nouvelle ère, ère de prospérité, ère d'émergence. Euh, le président Macky Sall a fini euh, de euh, placer les contours d'un Sénégal émergent avec bien évidemment des projets de deuxième génération qui sont à côté à Djamnyadjo, à une dizaine de kilomètres d'ici de l'aéroport international. Les deux, Perdoy. Hier déjà, il a inauguré l'hôtel Radisson du SICAD. Voilà, à l'instant, le président de la République accompagné de Mme Maïmouna Sek, mais également du président gambien Adam Barrow, qui vient à l'instant de procéder à la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale. Alors, mm, Macky Sall, accompagné euh, des autorités aéroportières, est en train de procéder à cette euh, visite. Comme vous le, vous venez de voir sur ces images de le président Macky Sall, accompagné en compagnie du Premier ministre de Mme Maïmoune Ndoysek, d'Adama Baro sont en train vraiment de procéder à cette euh, visite pour euh, voir comment les travaux se sont vraiment déroulés ici à l'aéroport euh, international Blaise Diagne comme vous le voyez sur ces images. Et vous l'avez suivi tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Nias, Mme Aminata Tal, présidente du Haut Conseil euh, euh, du Conseil économique, social et environnemental, mais également canadien, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui réagissait tout à l'heure sur euh, cette cérémonie euh, qui se déroule présentement ici à Dias, plus précisément à l'aéroport international Blaise Diagne, qui donnait leur impression, leur impression pour dire que jamais, jamais, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a inauguré une telle infrastructure. Euh, Également, Tanor, qui nous disait tout à l'heure qu'il a déjà réservé son billet pour euh, prendre vol. Et vous le voyez, il faut le dire, hein, ce nouvel aéroport est un joli bijou que le Sénégal vient d'acquérir euh, dix ans après le euh, circuit du voyageur. Là, il tient son bagage, euh, son, sac et il va tranquillement, avec son passeport, aller au niveau du comptoir pour se présenter et derrière, euh, avec son billet d'avion, tout simplement, va se préparer à embarquer au niveau de la salle d'embarquement avant d'emprunter la passerelle, bien évidemment, le jet bridge qui mène vers l'avion Alors, euh, euh, vous voyez que le président de la République, euh, à l'image des autres voyageurs, est en train vraiment de procéder aux formalités avec son passeport. Maintenant, les bagages à la main, il peut désormais embarquer. Donc, il sera peut-être, après Maître Abdoulaye le premier voyageur qui va vraiment embarquer en compagnie de ces invités, mais également euh, de quelques membres du gouvernement. Nous avons le président du Gabon, mais également le président euh, de la Gambie voisine, Adam Barrow. Nous avons également Madame Maimoune euh, Sekou, également présent ici nous avons vu Mohamed Boun Abdeladjan, Premier ministre. Voilà, comme vous voyez, il faut le dire, son nouvel aéroport qui constitue vraiment un véritable bijou pour le Sénégal, comme vient de dire tout à l'heure, Moussa Agnès, Tanordien et Madame Amina Total. Nous suivons toujours le président de la République qui procède toujours aux formalités avant d'embarquer les bagages à la main. inoubliable. jàmm ak documents yi man ma ne man dem si at bii moom a gënal moo tax su defee ay fóot rek ñu war ma toléré ndax nag ñu sorewul ba ma xaalis saam ñi moo sëpp la wala sax boobu nag ñu daal toléré am na solo lool jël président Macky Sall le président de tous les Sénégalais ah monsieur le président ànd ak beaucoup de chefs d'État qui sont là aujourd'hui gis ngeen Ali Bongo Ondimba ci taxaw yi Adama Barrow en ah, mbooloo mi

enregistrement yi nga xamante ni moom lay def laata muy dem jëli loparaan bi voilà ñu ngi noonu di ko di leen delloo seen passeport comme ni nga koy gisee rek bépp voyageur buy euh, bëgg a jël roplaan foog nga daal di def Euh, euh, procédure euh, yi nga xamante ni moom la bépp voyageur war a def laata muy dugg ci biir l'Oprah bi kon le président de la république Macky Sall wone na exemple bi ànd ak ay ganam waaye tamit yenn ci ay membre gouvernement bi ku ci mel ni chef gouvernement bi di Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak ki nga xamante ni kii nga xam ne moom moo di ministre des transports aériens di madame Maïmouna Ndoye Seck

monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal bu fekkee ni mën nañoo may gan yi di toog ak ambassadeurs yi. bu fekkee ni mën nañoo may gaynde yi toog ak ambassadeur yi ñooñu ñëpp nga xam ni ay collaborateurs la ñu ay chargé de mission la ñu ñu jàppale ko président dugal gan yi bàyyi gan yi ñu daal di yéeg ci kaw ñoom tamit ñu daal di ñëw fii daal di bàyyi gan yi ñu daal di nekk ci biir ndaxte nag loolu day am solo lool gis ngeen euh, madame Maïmouna Ndoye Seck mi ngi noonu ànd ndoog euh, ki nga xam ne moom moo di euh, ñi enregistré ñëpp ànd ndoog président président mi ngi def nag loolu ñuy wax formalisé de police formalité de police ci la nek noonu. voilà Macky Sall euh, tek ay empreinte am voilà ngi def euh, comme niñ koy waxee scanner nañ ko mo and ak ki nga xamné euh, madame Maymouna Ndoy Seck dugal ko ci biir machine bi voilà dugal ko ci biir machine bi président de la république mu ngi respecter formalité yépp yi nga xamante ni moom la voyageur war a respecté laata muy dugg ci l'hôpital voilà président ngi noonu kon tey jii su ma su ma su ma doon euh, traduire li nga xam ne moom la président di dund day mel ni koo xamante ni mosut a jël roplaan ñëw ci aéroport bu mucc ay bi nga xamante ni tey jii nii aéroport yuy répondre ci norme internationale yi la alors maa leen doon wax léegi ne tey jii dañ fi indi benn équipe bu importante ay euh, technicien mais également euh, yenn ci sa nga xamante ni samay euh, collègue lañ ku ci mel ni Abdou nga xam ne yenn xew-xew yi buy faral di am dama ci ànd ak moom barki démb yéen a ngi doon seetaan ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di assemblée nationale Baye tamit du des gan mbir mi pare na tabax bi pare na ba gis ngeen nii ci image yi président de la république Macky Sall ànd ak ay ganam ku ci mel ni Ali Bongo bu Gabon ku ci mel ni José Mario Vaz bu Guinée-Bissau ak euh, Adama Barrow bu euh, Gambie gis ngeen ñu ànd ak moom noonu di def formalité yi di wane rek nit nan lay voyager bu ñëwee ci aéroport Donc lol n'est qu'un moment solennel euh, qui, sera quand même mémorable, qu'il sera très difficile d'oublier ici au Sénégal, parce qu'il faut rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, cet aéroport deviendra euh, euh, opérationnel, celui de Dakar reviendra à l'armée, comme l'a rappelé le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah avant-hier lors de son passage à l'Assemblée nationale pour les besoins de sa déclaration de politique générale. Comme mooy euh, li nga xam ni moom ngeen di gis nii tey lu ko lu ko dalee tey président moom si boppam euh, mooy inauguré avion mooy inauguré aéroport bi loolu nag di firnde ni tey lu ko dalee ni tey képp kuy tukkeeti képp kuy tukkeeti fii ngay jaar fii di aéroport pour wane ni yëfi du du ni dañuy li tubaab di wax amuser la galerie euh, foowu ñu kafuñu waaye ci dëgg la ñu nekk kuy voyager ti fii ngay jaar ku joge tukki fi ngay wacc euh, fi nak di fateli fi ak Dakar 40 euh, km la donc euh, mu nek distance bu nga xamni peut-être dina gudd ci ñen ñi waye tamit ay auto ñu ngi fi ñu bari indi nañ fi seen société donc pour permettre nam yeen ñu joge xawna deugar waye tamit li mo jaaru indi avion indi aéroport ci all bi nga xamni sécurité nit ñi dotul dotul menacer pour jappalé sama xarit rek sama na tango Badara loolu lañ amone pour wax xamna nak dañuy delu ci liguey bi ndax comme ni mu leen ko fàttalee Dakaractu xam naa miin ngeen ko sax euh, yu mel nii dañuy indi équipe bu mag ñi jàpp ci lii ñi jàpp ci lële tay nak dama nek ci geneen wet gi ma balé nak euh, sama xari sama natango Badara mu continuer ak yéen. voilà certainement que bay mu ngi defee ay formalité mom tamit alors euh, vous nous suivez toujours en direct ici sur euh, les antennes de Act TV qui est en train de vous permettre de vivre les temps forts de cette cérémonie de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne euh, le président de la République euh, qui se trouve euh, toujours à l'intérieur de l'aéroport avec ses autres, le temps de faire ses formalités. Il a déjà fini hein, de faire ses formalités avec sa valise à la main. Présentement, peut-être que le président de la République est attendu ici pour démarrer les activités proprement dites avec l'allocution des différents invités. Alors, le président de la République vient de finir à la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque. Entrée et visite de l'aéroport, parcours du voyageur, il en a déjà fait. Départ du président de la République vers la tour de contrôle donc peut dire que le président de la République, Mme Maïmouna Ndoye Sek, Mohamed la Beladjoun, le Premier ministre et leurs invités vont aller au niveau de la tour du contrôle pour procéder à une autre visite. Mais il faut dire, il faut dire que le Sénégal aujourd'hui n'a rien à envier aux autres aéroports parce qu'il faut le dire quand même, c'est un nouvel aéroport qui répond aux normes internationales à l'image des aéroports, je veux citer l'aéroport de Orly, des aéroports qui sont au Canada entre autres pays aujourd'hui, c'est le Sénégal qui peut se glorifier d'avoir quand même accueilli ce bijou qui constitue vraiment un véritable, véritable chef-d'œuvre niché aussi en plein cœur de Dias. Dias aujourd'hui qui répond aux normes internationales. Donc on peut se glorifier d'avoir l'aéroport de cette dimension internationale. Euh, et de l'autre côté, il faut le rappeler, ce sont les griots traditionnels qui sont en train de faire leur show, comme on, euh, on a l'habitude de le faire ici au Sénégal. Euh, ils, sont, ils ont l'habitude de nous accompagner dans des cérémonies pareilles. Aujourd'hui, c'est une véritable représentation de ces griots qui sont venus soutenir le chef d'État, mais également donner un coup de pouce, un coup d'élan, rehausser cette cérémonie qui marque le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne. Je rappelle aussi les produits avant de produire et ça coûte pas cher. faut le demander. Euh. Le protocole voudrait demander solennellement à l'ensemble des collaborateurs de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de permettre aux invités qui viennent de très loin euh, de prendre place euh, sur la tribune officielle. Euh, si les collaborateurs du président de la République et ensemble, en même temps l'ensemble des invités peuvent permettre à l'ensemble des invités de rejoindre la tribune, s'il vous plaît, euh, parce que les invités viennent de très loin et nous voulions, s'il vous plaît, les installer. Les collaborateurs du président, si vous voulez bien euh, permettre à l'ensemble euh, des invités publics de très loin des voyage de rejoindre la tribune s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Retour sur la place, s'il vous plaît sur une superficie de 42 mètres carrés, peut accueillir euh, plusieurs milliers de passagers en même temps. Et c'est euh, c'est vraiment un ouf de soulagement euh, pour les voyageurs qui ont emprunté l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Il s'est posé à un moment donné un problème d'espace. Il n'y avait pas suffisamment d'espace pour permettre aux voyageurs de se mouvoir au sein de l'aéroport dans les meilleures conditions. Et là, vous l'avez vu, on vient, on passe euh, au comptoir d'enregistrement des bagages et après euh, la deuxième étape, c'est au niveau de la police des frontières de l'aéroport euh, pour identifier le voyageur et après on passe à la sécurité au niveau du, du détecteur de métal pour les bagages. Et là, la séance d'explication qui se poursuit. les chefs d'État qui sont en train de suivre les explications euh, protocole baa ngi noonu di leen gunge foofu nga xam ni moom moo di euh, ca parcours voyageur bi ci la nekk ba tey ñoom ñëpp euh, gis ngeen leen ni ñu ne gan yooyu yëpp si ñëw àndandoog ki nga xam ni moom moo di président di ko encouragé te di ko félicité ci bees yi nga xam ni moom la def alors euh, tey aéroport bi am solo lool di gërëm bu baax a baax a baax a baax ki nga xam ni moom moo di monsieur Ousmane Tanor Dieng moom it daal di ñëw gunge si président madame Aminata Tall ak kilifa yëpp alors euh, tey nag sànq rek ñi ngi jaar ci autoroute à péage bi ñuy wax li nga xam ni moom moo di solo gi nga xam ni euh, moom la am euh, te di ci kontaan bu baax a baax a baax a baax ñu delluwaat léegi-léegi balaa ñuy dem ci waa RTS sala bi geex na Maxu Mbeng Maxu Mbeng Ndar jërëjëf DJ Boubs l'homme des grands projets l'homme de Keur Momar Sarr 3 ki nga xam ni moo jàppale réew mi tàllal ñëpp loxo ñu doon àndandoo liggéey Sénégal kooku le président Macky Sall Tédi jii nag ku fi ne am na loo yëg li nga yëg la réew mi soxla mom ci la nek. man nak ma nga jóge dëkk ba ne wax Ndar première capitale de l'Afrique occidentale française dëkk ba nga xamni fa la première dame juddoo ki nga xam ni mooy Ajaratu Marème Sall mi ci diwul président Macky Sall mi nga xamni bo moo jëkk dugal alxuraan di jigen ci bir palais bi a dëkk boobu nag su ma fa jógee foog ma nuyu sama maire bopp ki nga xam ne nag mooy Mamadou Mansour Faye mi nga xam ne nag ñun waa Ndar tey jii su defoon bilan du rus ñun du rus di jëbub euh, waa RTS ñoo ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ak seen liggéey bu rafet nii ak télévision yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw wuy si yëpp bilaay ñëpp dinañ ci jot père Euh, xam nga RTS tamit dafa am solo ndaxte àdduna bi dañ koy seetaan ñu nit dañuy dugg ba noppi it di génn saa yi kenn defee fii rek ñu daan leen delloo antenne bi bu ko defee ñoom it ñu daal di am loo xam ne def xool leen tour de contrôle bi ñu dem ci tour de contrôle bi te ñëw te te ñëw léegi léegi waaw alaaji buy mbaay maa ngi ñëw may ñu ñu dem ci tour de contrôle bi ak li nga xam ne moom moo di euh, ak ndandoog waa RTS dem foofu nga xam ni foofu la président nekk te ñëwaat léegi léegi. ndax yaa ndax aérogare bi mu nekkoon mooy aérogaru passager yi bu ñu ko xaymaa toll na ci ñeent ak ñaari junni mètre carré loolu xam nga ne moom moo réye noonu kenn mënu koo wër ba mu ba mu jeex lu ñu mën a jàpp itam mooy ñi nga xam ne ñoo ko ñëw fekk si ay njiitu réew lañu yoo xam ne ay xaritu Sénégal lañu waaye ku ci nekk bëgg nga lu mel ni am sa réew ndax Gàmbi tey ñun yéene nañu suñu mbokk yi fa nekk am lu ni mel ndax ñoom itam ñu ngi ci yoon woo xam ni yoon wu bees la ñu ngi ci yoon woo xam ni am nañu yaakaar bu baax a baax ci ki nga xam ne moom lañu fa teg léegi ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom dogal ñu egg ci loolu ndax euh, yokkute Sénégal moom mooy yokkute ay dëkkandoo moom mooy yokkute Afrique kon Ibrahima ñu jàpp ni daal tey bis bi nu ñu ko gisee fête nationale bi ma la sànq du ci jóg

xam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut il nous faut un président de la république comme son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal merci Boubacar Diallo. ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant kooku mooy suñu xarit alaaji Sall Bigué waaw alaaji Guy Mbaye bismillah ñoo ngi lay déglu. jërëjëf Didier dama wax ni bésu tay bés bu rëy la. Safeen képp dajé. le monde Safeen waaye tay dañu ko abrité. la commune de Diass Diass nag lumbum Diass njoon moo sañca Diass waaye mag ñooñu nga xamee ni dijee daan nañu wax ne ay jamono ngi ñëw ci kanam ay picc dinañu wàcce ci sunu dëkk bii loola nag ba ñu koy wax ça fait des at mu jot seeni njaboot di ko continuer tey nag yàlla dogal Alioune Samba Ciss le maire de la commune de Diass jiite Diass ñu joxe suuf si te coow jibul dara jibul mu àndandoo ak ay nawleem kan muy ki nga xamee ni mooy Momar Ciss di di ku baax dëkkaat Kër Moussa yoraat la commune de Kër Moussa ñooñu ñoo yëkkati suufi commune yi muy ñaari communes yi ñu yëkkati ko jox ko réew mi ni kat Sénégal bu ñu bëggee lu ñu teddee nun dañu ko yëkkati joxe loola nag moo andi tey mobilisation bi Alioune Samba Ciss def àndandoo ko ak ñoom Mamadou Ndione àndandoo ko ak tous les leaders politiques Nous ni nous duñu xuloo ñor waaye kan mooy Macky Sall ki ni Qui impunité kiy defar réew ki nga xamee ni bu moom dina le président Macky ñuy ndokkeel nag ñëpp ñi nga ni ñoo fi au nom de la commune de Diass bu soobee yàlla ñëpp ci xaj nañ ci tey tey bés la boo xam ni Sénégal ñëpp a war a kontaan ñëpp a ciy jot incha allah euh, di rafetlu teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy kilifay réew mi yëpp. di wax ni ki nga xam ni moom moo di Serigne Mbaye Sy Mansour di xalif général des Tijanes yónnee na ki nga xam ni moom moo di doomam Serigne Habib.

militaire. Alors, le président Macky Sall euh, va sortir. Il a fini de faire ses formalités, euh, de, récupérer la passerelle et justement d'arriver ici au niveau euh, de la zone de sortie de l'aérogare, la c'est un moment important également, en étant fort de cette visite ici au niveau de l'aérogare. Vas-y avec la euh, RTS. Pour les bagages, euh, ce qui permet justement aux voyageurs de ne, pas, ne plus perdre de temps au niveau de l'arrivée ni au départ parce que ça répond aux normes internationales, aux normes standards et c'est tout simplement bénéfique euh, pour les populations sénégalaises parce que tout ça, ça a été conçu, réalisé et dédié au peuple sénégalais qui mérite tout ce y a du meilleur aujourd'hui. On repasse au niveau du, du prix dans la zone d'arrivée de l'Aéroport, de l'AIPD. Euh, tout ça, c'est au niveau du free shop avec, euh, on aperçoit derrière, le président Adam Barrow à ses côtés, le président euh, Ali Bongo Odimba et également le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, le président Macky Sall, qui euh, prend congé euh, du personnel euh, d'ouvre et va s'acheminer vers la sortie pour, aller regagner, retrouver la de contrôle, bien évidemment, 12 les d'une visite ou pas de charge. Là, c'est euh, le chef de l'État, toujours à l'image euh, qu'on aperçoit, euh, très détendu. Il est au niveau de la sortie, de l'arrivée de l'aérogare de l'AIBD. Il salue chaleureusement le personnel de la douane, un personnel également qui fait énormément un boulot extraordinaire au niveau des aéroports euh, du Sénégal, le président Macky Sall, qui prend le temps de saluer euh, tout ce beau monde-là avec, euh, bien sûr, la complicité des caméras de Sadbou qui nous propose ces belles images au niveau de la sortie de l'aérogare, ici au niveau de l'aéroport international. Blaise Diagne Doudias, le président, qui continue à saluer les personnes, le, membre, le personnel qui est présent ici au niveau de l'aérogare et il va s'acheminer vers la sortie de l'aérogare qui se trouve au niveau du sous-sol, hein, je rappelle, parce que là, on, était en hauteur au niveau de, la salle d'embarquement, au niveau de, la police des frontières, mais là, on est carrément au sous-sol avec euh, ce passage qui mène euh, vers la sortie, l'arrivée au niveau euh, de l'aéroport international Blaisian, Quand le passager descend de l'avion, euh, c'est par là euh, qu'il va passer pour sortir et aller prendre soit le bus, soit le taxi et dans un futur très prochain, le TER, le train express régional, qui sera inauguré en janvier 2019. Le président Macky Sall l'a réitéré, l'a confirmé hier à l'occasion de l'inauguration du premier hôtel d'affaires de Diamniadio. C'est l'hôtel Radisson situé à proximité du centre international de conférence Abdou Diouf. Ah, c'est un grand moment qu'on a vécu hier également en compagnie du chef de l'État Hein, puisqu'on est entré de plein pied dans l'ère euh, du Sénégal émergent, du Sénégal de tous, au Sénégal euh, pour tous. Et cet hôtel 5 étoiles euh, va permettre justement au centre de conférence internationale à d'être beaucoup plus fonctionnel. Et là, le chef de l'État qui sort direction la tour de contrôle. Et nous, on va prendre congé de vous, Ibrahim Ibrahim Diédiou, Armadou, Armadoussi. Je vous redonne l'antenne, vous transmets le témoin à votre tour de donner ce témoin à qui vous savez, qui vous attend au niveau de la tour de contrôle, messieurs. Et justement, vous avez bien fait d'annoncer la suite, puisque dans un instant, le président Macky Sall va aller au niveau de la tour de contrôle, 50 mètres de hauteur, avec des options technologiques de dernière génération. Et ce sera le moyen d'accueillir ici, à de gros aéronefs de type F, tels que la 380, ce majestueux avion. Et c'est le moment pour le président Macky Sall de monter dans ce bus. Et Youssouf Kaba attend de l'autre côté de la tour de contrôle pour nous faire vivre Tiernoir C'est ces grands moments de télé, mais également cet événement historique dans les archives du Sénégal. Le chef de l'État et ses hôtes se rendent au niveau de l'organe le plus visible de l'aéroport, la tour de contrôle avec ses 50 mètres de hauteur. Vous le voyez déjà, cet aéroport d'une dimension internationale, d'une grande dimension. Ibrahim, lu ñu merci beaucoup retour ici merci beaucoup Père alors euh, superficie 3770 euh, mètres carrés et puis 50 euh, mètres de hauteur. Ça, c'est les dimensions de la tour de contrôle euh, que nous voyons tout à l'heure aussi. Euh, nous aurons la chance aussi de partager le micro avec tous les communicateurs traditionnels car ils font partie de l'événement. Ils sont tous venus soutenir son Excellence le président Macky Sall. Ils sont tous la campagne. Et justement, euh, tout à l'heure aussi, il y aura l'envol de Air Sénégal International. Et ça, euh, Sénégal, euh, le Sénégal est en train encore de voler aussi en avion. Et puis après l'aéroport, et tout à l'heure à partir de 14h, les premiers vols vont commencer à atterrir. L'aéroport Léopold Sédar Senghor, nous allons le quitter pour arriver euh, vers l'aéroport Blaise Diagne. Ça y est, à ce sera à partir de 14h. Les avions vont atterrir et décoller à partir d'ici même, à partir de l'aéroport international euh, Blaise Diagne. Le président se dirige directement vers le tour de contrôle et, euh, ce tour de contrôle peut accueillir 5 vols simultanés et même des avions A380. L'avion A380 qui atterrit toujours à Abidjan, certainement atterrira d'Air France atterrira certainement à Dakar, ici même à l'aéroport international, euh, que tout est en train de changer. Ça se voit euh, que c'est du neuf euh, ce travail, au combien bien fait. Regardez ces finitions. Regardez, le président circule toujours dans l'aéroport. Nous allons retourner avec la RTS, justement vers euh, la tour de contrôle, avec la RTS. Tour de contrôle, c'est maintenant. Au niveau de la cérémonie officielle. Alors, euh, la tour de contrôle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un dispositif essentiel dans le fonctionnement de l'aéroport. C'est la sécurité, c'est le premier rempart de sécurité pour le fonctionnement de cet aéroport dernier cri. pour en parler très brièvement, avant euh, l'arrivée du président. Nous avons à notre côté ici euh, Monsieur M. Bass, euh, qui est le représentant national de l'ASECNA ici au Sénégal. Alors, M. Bass, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement Quelle est vraiment la fonctionnalité et le rôle principal de la tour de contrôle Merci bien. La tour de contrôle est le lieu où les contrôleurs assurent la sécurité de la navigation aérienne. Donc euh, tous les avions au départ et à l'atterrissage sont aiguillonnés à partir de la tour de contrôle. Donc c'est le centre névralgique. Il y a les, services opérationnels, notamment la maintenance des infrastructures radioélectriques, les services euh, exploitation de la météorologie et, comme vous l'avez dit, la tour de contrôle où les contrôleurs donnent des clairances aux avions pour leur décollage, leurs atterrissages et font la coordination avec les centres voisins. D'accord. Et donc pour l'inauguration, euh, qu'est-ce qui est prévu avec le chef de l'État ici euh, qui arrive euh, Nous voyons le cortège qui se déplace vers la tour de contrôle. Qu'est-ce qui est réellement au menu ici oui, la tour de contrôle est l'une des symboliques les plus marquées de l'aéroport. Donc le directeur général va accueillir le président pour inaugurer la tour de contrôle. Ensuite, il fera une brève présentation euh, des services de la SECNA avant de regagner la tribune officielle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la composition des services qui abritent euh, la tour Oui, ici, comme je le rappelais, il y a les services euh, techniques. Vous avez au rez-de-chaussée l'exploitation de la navigation aérienne, donc tous les services qui concourent pour la gestion du trafic aérien. Vous avez l'exploitation de la météorologie, vous avez en haut la salle technique qui est le cœur du système, qui assure euh, la coordination, la maintenance, la supervision des aides euh, à la navigation aérienne. Et en haut, euh, la tour qui fait 50 mètres abrite, les contrôleurs qui assurent la sécurité des aéronefs. D'accord. Alors, on rappelle que l'institution, la SECNA, agence euh, pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, euh, regroupe 18 pays membres. Est-ce que vous avez en la matière invité tous les pays membres ou leurs représentants à cette manifestation euh, Tout à fait. tous les ministres, les ministres membres de l'ASECNA sont présents, ainsi que les administrateurs civils, parce que les 4 et 5 décembre 2017, il y avait le conseil d'administration de la Signa, Donc tous les membres du conseil d'administration sont invités à cette importante cérémonie. Alors c'est un grand moment pour vous également. nous voyons le cortège qui arrive là. J'espère que c'est un grand moment de, de, aéronautique pour vous euh, oui, euh, aujourd'hui c'est la célébration de la journée euh, de l'aviation civile. nous fêtons la Convention de Chicago qui a été signée le 7 décembre 1944, mais également aujourd'hui c'est un grand événement qui va marquer l'ouverture de l'aéroport international Blaise D'accord. Merci, M. Bass. Voilà, donc, mesdames et messieurs, Djedjou, donc vous voyez, le cortège présidentiel s'approche. Donc vous le voyez derrière moi, le président accompagné de ses hôtes, euh, des membres du gouvernement euh, et d'autres invités euh, pour venir réceptionner ce joyau qui est la tour de contrôle. Vous l'avez rappelé, c'est une tour qui s'élève à 50 mètres de hauteur, bâtie sur une superficie de 3770 mètres carrés. Voilà donc le cortège présidentiel qui franchit le seuil de la SECNA, ici à l'aéroport, au niveau de la tour de contrôle. Donc le bus qui rentre, c'est euh, dans ce bus où se trouve le chef de l'État et ses invités. Voilà, euh, donc euh, le bus va se garer devant les autorités de la SECNA sont positionnées pour recevoir le président et ses invités et procéder incessamment à l'inauguration de la tour de contrôle. Voilà, donc nous voyons la délégation qui accompagne le chef de l'État qui s'approche.

Euh, président euh, dafay ñëw àndandoog euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ganam yi ñoom ñëpp nag ñu daal di war a dugg ci tout de contrôle bi xool ko apprécier ko ndaxte kat ku nekk ci ñoom président nga waaye nag ku nekk ci ñoom da ngaa fekk sa dëkk loolu nga xam ne moom moo di aéroport waaye Macky Sall moom it daf fee def aéroport kon nak ñom ñep lay andal euh, duggu ci biir won leen li nga xamni mom la def won leen li nga xamni mom la liggéey présenter leen li nga xamni mom la liggéey bu leen ko présenter ba nopi nak sogo wacc bu génnee ce tour de contrôle bi sogo a fi le président et ses hôtes vont aller euh, justement regarder euh, la tour de contrôle et il va aller couper d'abord le ruban de la tour de contrôle, couper le ruban en compagnie de ses hôtes et puis après visiter la tour de contrôle, pour, après avoir visité la tour de contrôle, il sera ici avec nous, justement, euh, en compagnie euh, de ses invités. Et puis nous aurons justement euh, le temps de faire des discours d'usage. Et pour ces discours d'usage, le président, le directeur de l'aéroport s'adressera aux invités. Et puis après, euh, le, directeur euh, de l'agence turque qui a réalisé, qui a fini l'œuvre, va aussi s'adresser à nous et aussi des invités. Et voilà le dévoilement de la plaque de la tour de contrôle avec bien sûr l'ensemble de ses invités. C'est tout simplement euh, magistral, gigantesque et même pharaonique, disons. C'est exceptionnel. Le président a mis quelques 5 minutes pour atteindre encore un euh, tour de contrôle. voilà, il aura tout de suite droit ici, euh, après avoir dévoilé la plaque. Il aura droit à une petite présentation qui sera faite par les autorités de, la, de, autorités de hein. Voilà, le président en compagnie le président en compagnie du directeur général de la SECNA s'approche, le ministre des Transports aériens et des Affaires aéroportuaires, le président Adama Barrow, le président de la Guinée-Bissau, le président du Gabon, le président de Sao Tomé et Principe. Bonjour, monsieur le Président. Voilà. Nous allons suivre donc euh, ensemble la présentation auquel le président et ses hôtes auront droit tout de suite. se trouvent en réalité trois grandes spécialités. La première, c'est la navigation aérienne, avec tous les métiers de contrôle, la deuxième, c'est la météorologie. La météorologie euh, donc, toutes les données que nous produisons pour nos besoins d'exploitation locaux et pour le monde entier, ça sera fait à partir d'ici, à partir d'aujourd'hui. Et puis la maintenance, bien entendu, qui permet d'avoir toutes ces installations qui permettent aux avions de, de circuler en toute sécurité. Voilà, en bref, la tour de contrôle que nous n'aurons pas à visiter en haut. Ensuite, dans les milieux intermédiaires, il y a toutes les installations techniques. Là, bah, nous avons une mission particulière que les États nous ont confiée, c'est la sécurité incendie, bah. comme on dit, sauver des vies. Hmm. Et puis, euh, nous avons quand même matérialisé la météorologie avec le radom que vous avez. Alors, ce bâtiment va occuper l'ensemble des services techniques de la SECNA ah au Sénégal. Et la représentation est un très beau bâtiment qui est déjà prêt aussi. Qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Voilà, Excellence. Merci. Euh, féliciter tous les travailleurs de l'assignant, les contrôleurs, les ingénieurs de la circulation aérienne, tous de la météo également. Moi, j'étais venu il y a un mois, à peu près un mois et demi. Donc, euh, nous félicitons. Le message sera transmis, voilà. Merci euh, beaucoup. Mesdames et messieurs, le président vient donc... Euh, finir sa visite ici au niveau de la tour de contrôle. La à partir d'aujourd'hui, 7 décembre 2017, cette tour est complètement fonctionnelle avec euh, des matériels dernière génération, un bâtiment qui abrite, un bâtiment qui abrite tous les services de la SECNA. Donc euh, le président est en train donc, de se retirer pour rejoindre euh, la cérémonie officielle prévue de l'autre côté de l'aéroport. Voilà, donc Ibrahim Diédiou, si vous me recevez, euh, voilà, le président vient de terminer ici sa visite au niveau euh, de la tour de contrôle. Oui, Youssef Kaba, nous avons entendu le président Makissal féliciter les ingénieurs et tout le personnel de la SECNA qui a travaillé euh, de jour comme de nuit hein, pour que cette tour de contrôle réponde aux normes internationales. aussi, Nyoko président mi ngi jógee ci tour de contrôle bi war a jublu ci nag fii pour fekk ci population Diass population Thiès population Mbour population Sénégal. tour de contrôle bi mooy mandargal ni légui aéroport bi mën na tàmbali liggéeyam ndax xam nga aéroport bu amul tour de contrôle mo mënul dox ndax bép roplan bo xamné ne yaa ngi wàcc wala yaa ngi jóg ñoom ñoo wax fi nga wara jaar ni nga wara def ba nga tegu ci aéroport wala ba nga génn ci aéroport kon tour de contrôle bi nii. mooy mandargal midi ni ñu ko waxee woon midi jot na kon aéroport international Blaise Diagne mën na tàmbali liggéeyam loolu la njiitu réew mi mandargal léegi mu wax ko waa ASECNA xam nga ASECNA nag kuréel la boo xam ni ay réewu Afrique ñu toll ci fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ko bokk ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk di saytandoo lépp loo xam ne dafay jaar ci jaww ji nga xam ni moom moo wër fukk ak juróom-ñetti réew yooyu la kon naa lu am solo la. da naka moy xolu aéroport ndax lu ñu gis sànq ay infrastructure la ay bërëb la yu ni di jaar buñuy dem wala ay bërëb la yu ni di jaar bu ñu egsee fi fii mom moy xolu aéroport bi ndax lepp fa lay ndogalu avion wàccal ndogalu avion jógal kon ci kanam tuuti war nañoo gis avion bo xamné ne mën ci aéroport international Blaise Diagne Ibrahim Le président Macky Sall qui quitte donc la tour de contrôle pour euh, rallier le hangar des pèlerins. C'est ici que va se dérouler la cérémonie officielle. Ah, ah, ah. Je rappelais tout à l'heure qu'il y aura les allocutions des maires de Dias, euh, de Moussa, mais également des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque africaine de développement à travers Amadou Hot, ancien DG du Fonds 6, un illustre sénégalais dans le monde de la finance. Nous avons également la Banque islamique de développement qui a appuyé ce projet qui va également participer à cette fête. L'entreprise turque qui a fini justement les travaux de cet aéroport et le président Macky qui va officiellement ouvrir et lancer les activités de cet aéroport international Besian de Dias. Rappelez que c'est une infrastructure de dernière génération avec une piste unique dans la zone Assegna, dans les 18 pays et c'est sans doute l'empreinte sous l'air maquisal de cette infrastructure que aujourd'hui les Sénégalais peuvent s'enorgueillir de réceptionner après plusieurs péripéties. Et nous allons, pendant toute cette journée, de l'aéroport Les et d'Arsagor jusqu'à Dias, parler du transport aérien, puisque c'est l'un des volets les plus essentiels dans le développement socio-économique, en dehors des infrastructures routières, et des autres infrastructures ferroviaires, le Sénégal s'est lancé dans cette politique d'infrastructure. Et je pense que c'est dans l'ensemble du continent africain, à travers le NEPAD, que l'on a compris que sans les infrastructures, la production agricole et tant d'autres euh, activités au niveau économique ne devraient pas nous permettre d'atteindre les objectifs de développement socio-économique. Et aujourd'hui, encore une fois, Dias est un exemple illustratif dans cette dynamique, Tierno aussi. Ibrahim Diédou, le président Macky Sall et ses hôtes vont bientôt arriver au niveau de la cérémonie officielle, après bien sûr avoir procédé aux formalités qui permettent de lancer officiellement les activités de l'aéroport international Blaise Diagne. Mokikon, nous kon du yàgg dara dina am roppalaan yu tàmbali wàcc fii ci aéroport international Blaise Diagne waaye dina du yàgg dara dina am ay avion yoo xam ni daañu ci jóge ndax keroog rek ñu ngi gis ni am na ñoo xam ne tey tey tey am nañu vol war a dem Paris kon fii la ñuy ñëw am na ñoo xam ne fii lekk ngoon war na ñu dem yeneen réew fii la ñuy jaar am na ñu war a jóge Abidjan ci kanam tuuti fii la ñuy wàcc kon mu mel ni sunu ñaareelu aéroport muy boo xam ni bu yaatu la bu yànj la mooy aéroport Alo, alo. Chiamiamo? Sì, basta. ama. Ah, ah. Ah, ah, ah, ah. C'est bon, hein C'est bon. s'il Voilà, à l'instant, le président de la République, Macky Sall, est attendu ici pour euh, dérouler cette euh, cérémonie officielle avec euh, cette série d'allocutions Macky Sall qui est attendu ici par l'ensemble du gouvernement, euh, les corps diplomatiques euh, accrédités ici au Sénégal, non sans laisser euh, les présidents éviter avec qui présentement il était au niveau de la tour de contrôle que vous avez vu. Hein, Macky, donc qui est attendu ici d'un moment à l'autre pour procéder vraiment à cette cérémonie Officiel qui va se dérouler ici au niveau de Jas notamment euh, dans l'enceinte de l'aéroport international euh, Blaise Comme vous voyez, les bérets sont délocalisés et ils sont ici en train d'accueillir le président de la République. Et là, nous voyons le cortège qui s'ébranle destination là où nous sommes présentement à bord le président de la République, euh, Madame euh, Maimouna qui est le ministre des Transports aériens, mais également euh, le Premier ministre Mohamed Bounabela Dion, ainsi que ses invités. Nous avons reçu Mario Vaz de la Guinée également sans pour autant oublier Adama Baron de la Gambie voisine. À tous les Sénégalais Que nous verrons tout à l'heure

ànd ak ak ay ganam ak yenn ci ay euh, membre du gouvernement rawatina premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu koy xaaroon ji fi nga xamante ni la war a ñëw ñu door li ñuy wax série de d'allocution ñu am ñu bëri ñoo xamante ni war nañoo mën a jël parole waaye rek ñu jàpp ne ki nga ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, monsieur Momar Ciss ak monsieur Alioune Samba Ciss nekk respectivement euh, maire bu commune bu Kër Moussa ak euh, maire bu Diass fas yéene dalal gan yi ci barab bi nga xamante ni daanaka seen ñaari communes yi ñoom ñoo ko seq alors comme niñ koy waxee ci wolof léegi tey war wa dem waxu mag dem daañ taaj ñuy xaarandi ki nga xamante ni moom moo di njiitu président de la république Macky Sall ak ay ganam jamono ji nii voilà bis baa ngi noonu taxaw na gan yi commencé nañoo wàcc moo xam muy généraux yi moo xam muy chef d'état yi moo xam muy ambassadeurs yi tàmbale nañoo wàcc fi nga xamante ni moom moo di bis bi mag bi nga xam ne moom lañ doon jël ngir euh, def euh, parcours. nga aéroport international Blaise voilà que les choses sont en train de bouger le président de la République Macky Sall qui doit descendre le moment à l'autre bus dans lequel il était avec ses invités voilà, on aperçoit, si je ne me trompe, la première dame, Mariam Faisal. Vraiment, Mariam Faisal, euh, qui vient d'apparaître. waaye madame la première dame a ngi doon di egg fii Adja Mariam Faye Sall di jee yow ak askan bi waay waa tegtu leen waay la première dame egg si na laa leen la Oui, bien vouloir accueillir son excellence. Voilà la Première Dame qui précède le Président de la République sur cette red capette traduisez ce tapis rouge qui accueille vraiment cette délégation présidentielle. la première dame, Mme Faisal, accompagnée de Quelques proches derrière elle, nous avons Madame Maïmouna Isek, euh, ministre en charge des transports aériens. Et derrière, nous avons le président de la République Macky Sall, accompagné de Ali Bongo Ondimba, mais également de Adama Barro. Nous avons également le président de la Guinée. Tous aujourd'hui hôtes du président de la République Macky Sall ils sont venus de loin, de très loin même, pour vraiment participer à cette très belle fête, une fête internationale, si on peut le dire ainsi, parce qu'il s'agit de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Et nous voyons ici euh, le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah John, derrière le chef de l'État pour procéder aux choses sérieuses. Alors, c'est un grand moment, un grand moment, un grand moment, il faut le dire ici, un moment qui euh, marque l'ouverture de l'aéroport international Belgique. Là, Macky Sall, est là. Il est enfin là avec ses invités et le chef du gouvernement, Mohamed Bounabdallah John. Et comme vous le voyez, l'importance de cette euh, cérémonie. que xam nañ ni seen directeur général muy Serigne El Malick ba nu booleeg moom ba nag ne rëccuwuñu ko lépp lu mun ci média mun ko ci doomu aadama mun ko ci askan wi mu ngi ñoo ngi fii tey di aéroport AIBD pour le président Macky Sall l'inauguration ñoo ngi fii tey di ko assister avec une très forte délégation tous de l'APR et du Sénégal sont là accompagnés d'une jeune femme de la commune d'arrondissement mi ngi nii taxaw ba jox ko mooy Moussa Ndiou ci ngi lay nuyu di la sargal la wax moom man sama waa demul bàyyi moo bëgg Macky Sall conseil de Macky Sall boobu moo ñëw ne aéroport bi mooy sunu njariñ aéroport bi noo ko moom aéroport bi moom la ñuy waxal Momar daa wax ni ànd ak nit ñu baax tubarkalla maasàllaa Mamadou bu taset sëy na bu njegeen mu baax mi ànd ak Augustin mi yor département région de Thiès moom mar day organisé tey ci aéroport ci suufam. ma ni tey ñëpp ñëw nañu maa ngi seen Momar Ciss mi nga xamante ne mooy maire zone bi maa ngi seen Momar Ciss mu nekk foofu maa ngi seen ñëpp dama gis seen ñëpp a ngi ci kaw ñoo ngi nuyu le PCA de fond ci docteur Pape Amadou Ndiaye di ko waxtaanal ak jàmm sama kaay dañuy wax ni Dakar Actu kenn du moom dañuy wax ni Serigne et le maire jërëjëf naa saw waaw ma jël si waat ci micro bi man Mamadou Diop communicateur comme ni ma leen ko waxee fii nga xamante ni mooy AIBD malgré la chaleur bi nga xamante ni moo fi am nit yaa ngi taxaw kenn buusewul président def na contrôle euh, li nga xamante ne mooy visite tour de contrôle bi ñëw na nag ci loge bi waaye mi ngi toog ak naan toggoy président am waaye tey jii li fi nekk ci mbooloo. Ken xamul nu mu toll yéen koy seet noonu ci site bi nga xamante moy site de référence bi nga xamante mom la nit ñi bëgg mom la nit ñi soxla moy Dakar Actu kon euh, di remercier nag euh, sama xarit sama natango Badara Diop mi nga xamante mom la bokal kaddu gi tabarkallah nee naa Dakar Actu lepp lu la lepp lépp la jaaxal dans les premières instances nga koy am te dara doo ci jaaxal moy site de référence bi nga xamante mom la ñëpp wër kon Badara ma delloo la kaddu gi rek nga wax ci président Macky Sall. Eh, je rappelle que vous êtes euh, en direct sur. Actu TV. Nous assisterons à une démonstration de trois avions d'instruction de type DB-30 Epsilon de l'école de l'armée de l'air de Thiès. Par la suite, ce sera le passage de deux hélicoptères lourds le 17 et 35. le président de la République euh, qui vient d'arriver sur le site. Euh, dans un instant vous allez entendre les discours euh, les discours différents discours dont celui du directeur de l'aéroport Abdoulaye Mboy le président également va parler, mais ce sera le dernier discours de cette cérémonie.

Je son avion d'instruction TB30 Epsilon, d'un hélicoptère lourd et suivre toujours euh, li l'inauguration de l'aéroport inauguration euh, Blaise Diagne bi nga jazz, euh, top depuis ce matin vous leen indi lépp li nga président yegg si ci ganam kii mu nga jóge Gambie ku mel ni Baro kii mu nga jóge Gabon di Ali Bongo ki ci des euh, muy José Mario Vaz bu Guinée Bissau waaw président nag def na li nga xam ni moom la waroon def fële ci aéroport bi léegi nag ñëw na fii pour wax ak euh, mbooloo mi nga xam ni mbooloo mu takk mi nga xam ni ñu ngi fii beaucoup de sérieux... Et c'est pourquoi aujourd'hui, les populations sont toutes heureuses euh, d'accueillir euh, le président de la République, son excellence, M. Macky Sall. waaw toujours si euh, le site bi dakaractu.com euh, pour la l'inauguration voilà yéen a ko gis noonu nga gis ko li moment solennel bu xamni amna avion présidentiel Pointe de Sarène mom ngeen gis noonu moom mu décoller aéroport international Blaise Diagne de Diass décoller na nonou lolu rek di ni yef ya tàmbali na aéroport bi légui commencé na dox waaw kon xamna rek ñun dañu jëlon euh, kàddu gi rek permettre mbokk mi nga xam mo nekkon ci micro bi souffle touti ndax xamna ci suba ba légui mu ngi and ak yeen di leen jox lepp li nga xam mo fi am gis ngeen ko nonu tamit euh, balai aérien bi nekk ni mom ngeen ngay assister waaw euh, hélicoptère yooyu ngeen gis nag yooyu ngeen gis nag euh, yooyu ci bi la ñu bokk Helikopter hélicoptère eh, ya ngeen gis eh, fafal naaw yu ndaw yooyu gis nga cargo bu mag bi nag kii nag moom ponkalam avion la moo xam ni ponkalam fafal naaw la koo xam ni Sénégal eh, mu ngi aar boppam bu baax naam nekkuñu ci xeex nekkuñu ci guerre waaye terewul aussi dinañ jël suñu motukaay ba fu waa ak mu bon ñu mën a suñu bopp kon xam naa dañuy euh, delloo kàddu gi mooy aéroport bi Blaise Diagne voilà Baye euh, ñuy rappeler la république nga xam ne nañ ci ay réew yu fasanti ko ñëw fekk ci président de la république kon daal dañuy naan tey jii nii Sénégal ayena amuñu lenn lo xamanteni dañ koy envoyer aux autres aéroports parce que bisu bi ñu am day répondre aux normes internationales yi nga xamanteni dañ koy laaj aéroport yi bay waaw xana rek euh, di préciser di wax ni tamit euh, ngir lolu Sénégal am ko xamna nak copper yu bari def nañ ko ci ndax suñu juumul aéroport bi euh, lu toll ni 523 milliards def nañ ko ci au début tollul won noonu mais biñu dem ci biir yokku liggéey yeek eh, yi nga xam ne oh, doon nañ ko ci dool te bokk ci woon ca début bi donc ñu def ci xaalis boobu yépp ngir rek nag Sénégal am aéroport boo xam ne dina tolloo ak jëmmam ndax aussi réew peut-être réew mu ndaw la ci wàllum super superficie mais aussi c'est une grande nation wala bokk loolu la bëgg a nekk te loolu aussi pour nga nekk ko foog nga jox sa bopp ay infrastructure de dernière génération te fii yàlla xam na ni bu ñu fi duggee sànq ah, li ñu gis xaw na yéeg yéeme ci taar li ñu gis xaw naa yéeme ci rëy li ñu gis xaw naa yéeme aussi ci wàllum xarala yu nga xam ni ñu ngi koy gis ngeen ko sànq président bi muy enregistré wu ñu wane yu nga xam ni di wane rek ni sécurité bi lépp loo xam ni waaye doon na ko laaj ci sécurité fii ñoom euh, jël nañ ko en compte ba nga xam ni kuy voyager fii sa xel mën na dal ndax aussi euh, gis nañ fitna yi am ci àddina léegi nga xam ni léegi yu ci bëri ci fafal naaw ci roppalaan yi lay jaar euh, moo tax na yooyu matuwaay yëpp ñu jël ko ko ngir kep ku fi jaar rek sa xel dal nga bañu ti dara te na jël nañ matukaay yoy yëpp pour permettre ñi nga xam ni ñoo fi euh, di fi jaar euh, jaar fi ci anam yo xam dana anda ak nga benen bi peut-être ñi nga xam ni dañuy wacc fi wara dem Dakar wala ci yenen euh, bërëb yi nga xam ni mooy ci Sénégal aussi permettre nañ leen pour buñ fi jógee ñu mëna voyager ci ci anam yu yu mucc ay. boudé aussi sécurité bi nga xam mo wara am ci yoon bi autoroute à péage bi barki dembo ñay ñu ngi doon dégg ministre mu né dinañ dinañ taal lamp yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci yoon wi dinañ teg aussi ay euh, way kaaraangam dinañu aar nit ñi ba fépp foo xam ni euh, nit war na fa jaar rek du tiit dara ci kaaraangeem ngeen di xool toujours euh, avion yi di romb noonu di def li ñuy wax défilé aérien ba léegi gis nga di def défilé bu rafet bu bi jaaree nii ba ca des jaar fa ca des mu nekk aussi ay chemin yu nga xam ni dafa rafet ci loo xam ni ci kaw jaww ji lay daw kon mu nekk badara mu nekk euh, fi mu nekk nii ñuy assister cérémonie bu nga xam ni vraiment euh, neex na voilà bàyyi kon école euh, armée bu Thiès ñoom ñoo doon wone seen bopp noonu ak xarañteef bi nga xam ne am nañ ko ci fàttali ñoom ñooy formé pilote yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal di def liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la parce que bàyyi dama togg ak benn waaye benn jour mu ne ma boo seet loolu l'avion est le moyen de transport le plus sûr waaye li ma si jaaxal man diggante fii ké Kédougou wala Tamba sax su ma ko duggee aéroport euh, avion sama xel du dal bay avion même bu féké né sax fekk na ci moyen de transport yu gëna wër wóor la dugg ko tamit ñakul né mos nga sé dugg sax wala di pët pët kon ñu japp né rek li nga xamante mom moy mooy défilé bi am légui école euh, militaire bi nga xam mo moo nekk Thiès ñañ fay formé ñom ñoo doon woné sen bop légui lool rek di woné tamit Sénégal arsenal bi nga xamante ni am nañ ko ci wal matériel jëm ci li nga xamante ni moom moo di armée kon nag tey jii nii mun nañ ne gàcce ngalaama ñi nga xamante ni ñoom ñoo joge ci yeneen réew ñëw fekkee lii amul benn gàcce bi nga xamante ni ñun mun nañ koo jëlee ci seen wet parce que mun nañoo lever la tête haute wan leen ne ñun lii la ñu am te tey jii nii mun naa ne au niveau de l' Afrique de l'Ouest bu fekkee dama koy laam-laamee sax Côte d'Ivoire laay wax mais bu weesoo Côte d'Ivoire amul benn réew boo xamante ni tey jii nii am nga benn aéroport boo xamante ni toll na ni aéroport Diass di répondre lépp lépp comme yaa ngi koy gis nii Euh, waa ji nga xamante ni moom moo nekk ci micro bi yenn saa yi day wax may déglu ndaxte euh, araf yi muy génnee xeetu avion yi nga xam ne da leen di tudd euh, ku nekk sa liggéey rek ñun boo ñu ko doon wax duñu xam waaw gis nga hélicoptère bi yi damay fàttali ko Rambo xam ndax mën nga seetaan Rambo bàyyi yi Rambo la may mës a fàttali bu doon dem di def ay opération commando voilà yi day dal xel ci réew bu ñu sa réew ne moom moo lii moom moom lii day dal xel. lii nag c'est un clin d'œil autres pays pour wane ne Sénégal euh, daal dina am assise bu baax a baax ah dafa mel ni ay parachute laay gis noonu dafa mel ni parachute laay gis ñuy wàcc noonu bàyyi. bàyyi bàyyi moom comprendre contempler tuuti bàyyi la micro bi ndaxte li ma gis fi doy na waar bàyyi. waaw Badara est-ce que man mi nga bëgg a jox micro bi du ma daw sax dem euh, fa yëf yee nekk ma xaw ko fa fekk tuuti nee na gis nañ ko loolu avion yi di wàcce ay militaire ay soldat ngir rek wane ni Sénégal mu ngi aar boppam ci li nga xam ni mooy lépp lu jëm ci terrorisme dégg ngeen ko léegi waa ji wax ko noonu ci micro bi. Badara li nekk lu nga xam ni sincèrement li nekk lu nga xam ni rafet na trop waaye tamit dal na xel ndax euh, lii lépp armée la mooy wane gis ngeen ko noonu gaañu di ña ngay wàcc benn par benn langaamu ca buum gi.